le forum du studio le forum le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam, le forum du studio le forum du il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Engagement de la jeunesse dans la politique au Niger, enjeux, défis et contraintes. De son accession à l'indépendance le 3 août 1960, à nos jours, le Niger est à la 8e République et de nombreux régimes politiques. La vie politique était à la fois marquée par des élections démocratiques et d'alternance militaire. Depuis 2011, le Niger est à son quatrième régime démocratique durant le euh, les jeunes ont toujours su apporter leur contribution dans le processus démocratique et le développement du pays. Estimé aujourd'hui à plus de la moitié de la population nigérienne, un peu plus de 17 millions en 2012, la jeunesse constitue plus de 65% de la population nigérienne et appelée à être au cœur des prises de décision politiques. Ces jeunes s'estiment mal représentés dans la sphère de décision. A À cet effet, un combat est déclaré par leur structure pour une meilleure représentation et une prise en compte dans toutes les instances décisionnelles. Les leaders des jeunes soutiennent que leur combat est noble, surtout au regard de leur participation aux grands événements, mais aussi et surtout du rôle décisif qu'ils ont joué dans l'instauration de la démocratie au Niger, rapporte un article publié sur Tantam Info. Avec avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des analyses les enjeux et les défis de l'engagement de la jeunesse et les difficultés qu'elle rencontre euh, dans les instances des partis politiques euh, au Niger, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour une meilleure représentativité de cette jeunesse dans les instances de prise de décision. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Chebou Salaou, membre de l'organisation de la jeunesse Pendestaria. Tareya OJT, le principal parti de la mouvance présidentielle au Niger. Cheikh Salou, bonsoir. Bonsoir, M. Mokhtar. Ibrahim Bana, membre de l'organisation de la jeunesse du moderne FA Lumana OJL, le principal parti de la coalition de l'opposition politique nigérienne. Ibrahim Bana, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar. Au téléphone, nous avons Abdelaziz Wankoy, coordonnateur de la cellule de moralisation de la vie politique, ONG la bise, une structure qui œuvre pour la bonne gouvernance et la citoyenneté. Abdelaziz Wankoy, bonsoir. Bonsoir à vous. Au microphone, Mokhtar Hamadou. chez Boussalaou. La jeunesse occupe-t-elle une place importante au PNDS Taria, votre parti qui exerce le pouvoir depuis huit ans maintenant euh, Je commencerai par remercier le studio Kalango qui nous a donné euh, cette euh, occasion de nous prononcer par rapport à l'engagement de la jeunesse dans la vie politique de notre pays. Tout bonnement, je m'en vais répondre à votre question, à savoir le rôle que joue la jeunesse dans notre formation politique, c'est-à-dire le Pendestarea. Il faudra savoir qu'à l'origine déjà, à sa création, c'était des jeunes étudiants et des jeunes cadres de notre pays qui se sont euh, regroupés pour déjà penser à comment agir dans le sens de former euh, une formation politique qui va vraiment venir au secours, voler au secours de leurs concitoyens au regard de la situation qu'a été le Niger de 1960 euh, à 1987, avec tout ce qui a été euh, l'ère de la conférence souveraine, jusqu'à leur accession en 2011 aux plus hautes fonctions étatiques. Actuellement, ce qu'il faut savoir, dire que le pain e occupe euh, ou bien donne, accorde une grande importance à la jeunesse, moi je crois que ce ne serait que de la redondance. Parce que, à l'épreuve de faits, il faudra voir, si vous voulez, les responsabilités qui ont été déjà données à des jeunes c'est-à-dire des jeunes qui répondent vraiment à la charte euh, africaine de la jeunesse, qui répondent à ces termes d'âge euh, ou bien à cette tranche d'âge de 18 à 35 ans. Vous aurez vu euh, des directions générales qui sont revenues à des jeunes membres de l'organisation de la jeunesse d'AREA. Vous aurez vu des portefeuilles ministériels qui sont revenus à des jeunes membres de l'organisation de la jeunesse tarea qui est une structure de masse, bien entendu, du PNDES d'AREA. Il faut savoir que nous avons le ministre au moins délégué du budget, qui est un jeune qui, au regard de ses compétences et de son activisme politique, aujourd'hui fait ses preuves. Aujourd'hui, en train de défendre les jeunes du simple fait que l'honneur pour le simple fait que habituellement on a tendance à faire comprendre que les jeunes ont toujours échoué à leur première expérience et sa première expérience elle a fait autant elle fait ce vous avez également des directions générales, comme je l'ai dit, dont, euh, si vous voulez, le Niger Post et des directions centrales des différents ministères qui sont occupées vraiment par des jeunes. Vous avez des directions de cabinet aussi qui sont toujours occupées par des jeunes. Ce qui fait que, concomitamment à la marge de cette classe ancienne de nos aînés, nous avons des jeunes qui sont là en train d'apprendre parce qu'il s'agirait d'une initiation. Il ne faudra pas que, c'est vrai, nous nous bousculons souvent, nous disons qu'il nous faudra plus de place, il nous faudra plus de place. C'est vrai, il nous faut plus de place au regard des taux démographiques que nous constituons. Mais est-ce que nous avons été préparés en conséquence pour occuper les responsabilités que nous attendons C'est cela. Donc euh, aujourd'hui, à la marche de nos anciens, nous sommes les jeunes, nous sommes en train d'être initiés à assurer les plus hautes fonctions dans les jours à venir, si vous voulez, les années à venir. Est-ce que vous êtes satisfait au PNDS Taraya aujourd'hui La jeunesse est bien entendu satisfaite. C'est vrai, on ne dira pas qu'à 2000% ou à 1000% nous sommes satisfaits, mais c'est que sûr, la satisfaction, c'est quand ça va au-delà de 70, 70 75%. Aujourd'hui, au PNDS, malgré tout ce que nous constatons, nous disons que la jeunesse est en train d'être représentée dans sa quasi-totalité. Parce que tant que vous avez les potentialités requises pour occuper des postes, le poste peut vous revenir. Mais toujours est-il dit que vous savez, souvent, nous jeunes, c'est l'expérience. C'est vrai que l'expérience, elle ne s'enseigne pas dans une école, elle ne s'enseigne nulle part. C'est au regard de l'habitude, de la pratique que vous apprenez. Donc ça, ça demande vraiment un moment, un temps de préparation, ou si vous voulez, un temps de transition. Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons. Parce que il y a aussi l'éthique et la déontologie. Ça, c'est évident, parce que si vous êtes membre d'une structure, soit vous êtes avec ces idées, les idéaux qui sont défendus, soit vous n'êtes pas avec. Vous ne pouvez pas être euh, un pied dedans, un pied dehors. Ça, c'est le de le schéma traditionnel, si vous voulez, de la loyauté à un parti politique, pas seulement aux personnes, pas aux personnes qui dirigent, mais au parti politique, à sa charte et aux textes qui le régissent. Vous savez, moi, je suis de ceux-là qui s'inspirent toujours de la réalité politique des autres États qui sont développés et sur qui nous rivons nos regards. Aujourd'hui, c'est regrettable de le dire, mais je me souviens encore en décembre 2017, euh, pour la première fois, un jeune de 31 ans, 30 ans d'ailleurs, a été consacré chancelier d'un État. Euh, il s'agit de Sébastien Kers de l'Autriche. Il est devenu chancelier à 31 ans. C'est-à-dire qu'il a connu un parcours parce qu'à partir de 24 ans, déjà, il a son propre parti. À partir de 21 ans, il s'est déjà intégré dans la politique. Mais aujourd'hui, il faudra le dire au Niger, nous avons tendance à croire que la politique, c'est pour nos papas c'est pour nos grands-papas. Non, non, non. Parce qu'eux aussi, ils ont connu un temps de jeunesse qu'ils ont consacré à cette euh, politique qui les a aujourd'hui permis d'accéder aux fonctions dont ils ont la prétention. Et pourquoi nous, dès à euh, présent, nous ne nous investissons pas pour que nous nous préparions à ces responsabilités ou à ces charges Il ne faudra pas que nous soyons surpris par l'histoire. Le cas de Sébastien Kars, il a fait deux ans, cinq mois, vingt-cinq jours. C'est-à-dire en mai 2019, il a été déjà renversé par euh, une motion. Parce que sa coalition qu'il a amenée au pouvoir a connu une fissure. Il n'y a pas eu une bonne gestion. On ne sait pas, mais à quel niveau Il faudra tout simplement se dire que c'est un jeune qui était reconnu pour les valeurs qu'il défendait, qu'il était reconnu pour les actions citoyennes qu'il menait. Mais malheureusement, les vieux là qui sont là, ils sont suffisamment euh, rusés ou l'ont induit en erreur. Même son fils chancelier qui a été induit en erreur, et par la suite, ils ont déposé la motion de censure, ils ont, si vous voulez, déconnecté. Est-ce à ce niveau, ce n'est pas un manque d'expérience C'est ce que j'ai expliqué, effectivement. Parce qu'à 31 ans, il a pu accéder à une telle fonction. Pourtant, il y a des VR, vous, nous savons ce que ça donne comme espérance de vie entre le Niger et l'Autriche. C'est au moins 70-75 ans, l'espérance de vie. Et ces vieux-là, ils ont posé les actes nécessaires, ils ont été terrorisés, ils l'ont piégé en deux ans, cinq mois il avait quitté son portefeuille, c'est-à-dire en mai 2019 récemment. Salut, revenons, au Niger. Quelles sont les opportunités offertes à la jeunesse au sein de votre formation politique, le pnds taria Au sein de notre formation politique, le pnds taria il faut reconnaître que tout le monde a une place. Que vous soyez jeune, vous soyez vieux, vous avez votre place. Parce que chacun, c'est en fonction de son déterminisme, de la conviction qu'il anime, de, son de son engagement, qu'il se frayera un chemin. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes jeune, vous vous constituez en 50% de la formation politique, mais vous ne faites pas preuve d'activisme, d'engagement. Vous ne démontrez pas ce que vous valez réellement dans la pratique que seulement c'est superficiel dans le discours au bout des lèvres, que vous dites ce que vous valez, mais en réalité, vous ne l'appliquez pas, vous ne témoignez pas de, cette, euh, de cet engagement sur le terrain. Donc, il va de soi que vous ne connaissez jamais une ascension. Parce que pour que je puisse travailler avec vous, il faudra que je, fasse, je vous fasse confiance, mais aussi que je fasse confiance à vos expériences, euh, à vos potentialités, à tout ce que vous avez appris comme connaissances théoriques euh, et pratiques, à tout ce qui est de la loyauté, de la défense des idéaux que nous défendions ensemble, les valeurs que nous défendons ensemble. Tout ça, là, il faudra que je me dise ou bien je me rende compte que vraiment vous êtes en train de faire autant là l'encadrement en tant une. J'essaie de vous donner quelques rudiments. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes parce que la génération 60 euh, et la génération 80, 90, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même lecture. Là-bas, il n'y a pas ah, un parent amis et connaissances pour accéder à certaines fonctions Ça, ça m'étonnerait que quelqu'un puisse tenter de me convaincre là-dessus. Parce que je sais que nous avons toujours écouté des critiques qui n'en finiront jamais. Mais souvent, est-ce que la personne répond au profil type dont on souhaitait Parce que c'est cela aussi. Je parents mis en connaissance, je dirais non. Vous savez, il y a un amalgame qui s'est fait, moi je ne veux pas rentrer trop dedans. Euh, ce qu'on appelait le lobby, ça a toujours existé. Si ça n'existait pas, je ne vois pas comment on arrive à influencer certaines décisions. Je ne comprends pas comment on arrive à vraiment faire pencher certaines euh, orientations politiques, si vous voulez, ou politiques publiques en faveur de tel ou tel autre groupe de réflexion. Ça, ça a toujours existé. Donc, on ne dira pas que ça n'existe nulle part. Mais c'est qu'il faut être réaliste. Voilà des personnes qui répondent à des critères. Même si toutes ces personnes sont nées d'une même mère, d'une même peur, et qu'ils répondent aux critères pour lesquels nous les voulons et qu'ils peuvent réaliser les champs d'œuvre dont nous voulons, il n'y a aucun problème en soi que de les placer et qu'ils fassent preuve de ce que nous voulons de ou bien ce que nous attendons de les réaliser. Donc moi, je dirais que ça, ça n'existe pas. Ça dépend tout simplement de votre degré de conviction, de votre degré de dévouement, de votre degré d'engagement et du travail que vous avez abattu pour arriver à la place que vous voulez. Parce que si vous voulez, hein, les gens peuvent penser ce qu'ils peuvent penser. Moi, personnellement, je suis secrétaire à la communication au sein de la structure des jeunes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je n'ai pas un parent direct qui soit membre du PNDS. Mais aujourd'hui, c'est ma première expérience à partir du congrès de 2018. Mais j'ai pu euh, accéder à un tel poste. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui valent mieux que moi, qui sont mieux que moi, qui peuvent occuper des postes mieux que moi dans cette même structure et peut-être même au plan national occuper des responsabilités plus grandes que la mienne. Donc ça, vraiment, tout dépend de votre engagement, de votre développement et de votre profil, moins vous. Parce que vous êtes jeune, vous êtes membre d'une formation politique, vous êtes là est dans votre chambre, vous attendez à ce qu'on vous appelle pour vous dire voilà telle chose, prenez-la, ça vous revient de droit. Rien ne revient à qui que ce soit de droit. Tout s'arrache, tout se gagne par le combat. Ibrahim Bana, quelle est la place de la jeunesse au sein du moderne FA Lumana Bonjour Mokhtar, bonjour à mon cher petit frère et à Ablaziz qui est avec nous par téléphone, Ablaziz Wonkoy. Écoutez, euh, je parlerai un peu comme euh, mon jeune frère. Euh, aujourd'hui, nous sommes un parti de l'opposition, donc nous ne pouvons parler de la place de la jeunesse qu'en termes organisationnels, comme le il y a une structure euh, dédiée à la jeunesse au, sein, au niveau de notre parti politique, qui est l'organisation des jeunes Lumana. Donc, euh, c'est pour moi, je suis d'ailleurs un de ceux qui luttent contre ce type d'organisation au niveau des partis politiques, parce que moi j'ai la conviction que c'est un héritage que nous avons eu d'une période encore récente, qui est la période euh, du parti unique, et ensuite du parti euh, de, du régime militaire avec le, système de Samaria. Parce que ce système, il n'y a un peu qu'en Afrique où on trouve ce genre d'organisation où vous avez euh, un bureau mixte, ensuite à côté une organisation de masse de jeunes, parce que à la longue, on a tendance à confiner les jeunes dans un rôle juste de bétail électoral ou de d'agents euh, qu'on utilise à l'occasion des meetings, euh, des autres activités politiques. Moi, je suis de ceux qui prônent la disparition progressive de ces structures de jeunes, leur incorporation euh, dans les structures du parti, avec à la clé la mise en place d'un quota, comme c'est le cas pour les femmes. Dans notre parti d'ailleurs, même quand il existe une structure à côté, qui est l'organisation des jeunes Lumana, dans nos textes, il est prévu des mécanismes qui sont proches du mécanisme du quota. Je prends un exemple aujourd'hui à l'occasion des élections, des différentes élections, euh, notamment municipales et, législatives. Il y a un système que nous avons instauré où, lorsque par exemple le candidat titulaire est un euh, homme, une personne âgée, forcément on prend le suppléant au niveau de la jeunesse du parti. Est-ce que c'est connu du, grand public oui, C'est connu, connu. aujourd'hui. Je vous prends un exemple, euh, celui que, de, un, proche de Niamey, l'honorable Soumane Sanda euh, hmm. du Modern Falumana, son suppléant, c'est Hussein Mega, qui est un membre actif de l'OGL. Moi, je pense que c'est un peu le meilleur moyen de faire de la place à la jeunesse dans le cadre des activités partisanes euh, dans nos pays. Parce que le risque qu'on court, c'est que lorsqu'on est dans un parti politique et on a besoin des jeunes que lorsqu'on organise un meeting, on les confine dans un rôle de Samaria. Et à la longue, les jeunes eux-mêmes finissent par intérioriser cet état de fait et ça crée un complexe d'infériorité chez eux. Si vous prenez le Parti socialiste français, qui est le pendant du PNDS, il n'y a pas d'organisation de masse dedans. Si vous prenez les républicains ou le Parti en marche, il n'y a pas de structure à côté, mais il y a une place qui est faite à la jeunesse à l'intérieur même des structures, ce qui fait que les jeunes qui côtoient les aînés dans le cadre de ces bureaux-là apprennent soit la gestion du pouvoir parce que le parti est au pouvoir, ou bien apprennent à élaborer des stratégies de marketing politique pour conquérir le pouvoir lorsque le parti est à l'opposition. Donc ce qui n'est pas encore pour le cas au Niger, dans aucun parti politique. Tous fonctionnent de la même manière, organisation des jeunes, organisation des femmes, et il y a un bureau mixte. qui est, il y a, d'abord un anachronisme. Parce que je suis jeune, ou euh, mon jeune frère est jeune, ne veut pas dire qu'il ne peut pas être le secrétaire à la communication du PNDESTA. Du, du comité, exécutif. exécutif national. Mais lorsqu'on crée dans la tête que non, quand tu es jeune, tu dois te confiné dans une structure de masse qui est l'organisation des jeunes Lumana ou l'organisation des jeunes Tareya, ça finit par intérioriser. Et aujourd'hui, on comprend, contrairement à mon jeune frère, moi je ne suis pas en tant qu'observateur de la scène politique, je ne suis pas du tout satisfait du niveau de présence des jeunes dans les sphères de, publiques. Il a tout à l'heure parlé en termes de pourcentage. Aujourd'hui, si on prend euh, le pourcentage des jeunes dans le pays, on est dans l'ordre de d'à peu près 60%, même si 65%. on 65% de jeunes. Mais si on regarde la présence au niveau, par exemple, du gouvernement, on est peut-être à 0,5% euh, de présence des jeunes. C'est déjà un bon début. Il y a quelque temps, c'était inimaginable qu'on ait un jeune ministre du budget de l'âge de Jidoud. Aujourd'hui, c'est fait, mais c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant Si vous, vous regardez aujourd'hui dans la sous-région, la moyenne d'âge du gouvernement, par exemple au Niger, c'est largement supérieur à la moyenne d'âge de beaucoup de pays de notre. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du, Mali et autres. Notre moyenne d'âge est supérieure à la moyenne d'âge de ces. Maintenant, il faut que nous, chez nous, on, poursuive la, marche pour faire plus de place aux jeunes. Pourquoi D'abord, c'est une question même de, de survie de nos États. Aujourd'hui, comme il l'a dit tout à l'heure, gérer un État en 1960 Gérer un État en 1990 et gérer un État en 2018, c'est largement, c'est totalement différent. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la digitalisation du monde. Le monde est devenu comme un petit village. Un petit village, il est digital d'abord. Hmm. Aujourd'hui, le e-gouvernement, la gouvernance électronique, c'est elle qui est en train de prendre le pas dans tous les pays, sauf par exemple chez nous. Et c'est lié au peu de place qu'on fait à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres ou de directeurs ne peuvent pas comprendre que pour faire une réunion avec mes directeurs régionaux, je n'ai pas besoin qu'ils prennent un bus ou qu'ils prennent un véhicule pour venir ici. Il suffit d'installer un dispositif de radio, de vidéoconférence et le tour est joué avec tout ce qu'il y a de réduction de coûts. Malheureusement, ceux qui sont anciens, qui n'ont pas trouvé, étudié l'informatique, qui n'ont pas connu ce que c'est que les nouvelles technologies de l'information, c'est difficile pour eux d'intérioriser cela. Donc il y va même de l'efficacité de l'action gouvernementale que de rajeunir les membres du gouvernement. On n'a pas dit de, les changer complètement, mais c'est un processus qui est un peu lent, certes, mais il faut une volonté politique. Et nous, chez nous, j'ai l'intime conviction que avec un peu euh, de volonté de nos dirigeants, même à Lumana, on peut progressivement supprimer les structures de masse faire la place qu'il faut aux jeunes dans les structures des partis politiques, s'il le faut, en mettant une clé de quota, comme c'est le cas pour les femmes. Oh, Ibrahim Bana, en dehors de la représentativité, du problème de représentativité, quelles sont les autres difficultés pour la jeunesse au sein du Modène Falumana Écoutez, ce n'est pas qu'au Modène Falumana. Moi, je parlerai beaucoup plus en général parce qu'aujourd'hui, la manière de faire la politique au Niger, elle est basée sur d'abord la puissance économique. Ça, c'est un frein pour l'émergence de la jeunesse parce que les jeunes n'ont pas les moyens pour la plupart. Aujourd'hui, si tu veux faire la politique, si tu veux être député, il faut toi-même financer ta campagne, il faut toi-même faire un apport, ce qui est difficile pour les jeunes. Ça, c'est un frein. Deuxième frein, c'est qu'il y a un problème d'éducation civique, hein, d'éducation politique, et qui est lié à ce que j'avais dit tout à l'heure, à l'absence d'une structure euh, d'intégration des jeunes. Aujourd'hui, difficilement, vous allez trouver un jeune d'un parti politique qui maîtrise l'idéologie de ce parti. Pour la simple raison qu'on ne l'utilise que lorsqu'on fait euh, euh, des tam-tam, lorsqu'on fait un meeting. Il ne sait pas pourquoi on le fait. Donc il y a un, déficit. J'ai vu le, rappel d'ailleurs à juste titre que euh, le PNDS a eu l'ingénieuse idée il y a quelque temps d'organiser une université d'été. Bon, c'est la deuxième fois au Niger, parce qu'il y avait eu une en 1993, si je me souviens bien, euh, organisée par l'ANDP. Mais il faut de plus en plus que dans les partis politiques, on fasse une place à la formation politique des jeunes. Ibrahim Bana, quels sont les enjeux pour la jeunesse nigérienne de s'engager véritablement dans la vie politique Écoutez, il y a un, acteur politique qui dit, euh, parlant de la politique, que si vous ne faites pas la politique, la politique, elle, elle va vous faire. Donc, soit vous vous engagez en politique, ou vous allez souffrir que d'autres s'engagent en politique et qu'ils déterminent la manière dont vous allez être gouverné. C'est tout à l'heure un peu ce que je dis. À l'heure au XXIe siècle, vous avez beau dire que non, vous n'aimez pas la politique, vous vous êtes obligé de subir la politique. Donc, autant la subir, il vaut mieux la faire, parce que quand on la fait, c'est nous qui détenons la clé du moteur. Lorsque vous n'êtes pas en politique, ça veut dire que le jour où les politiciens vont se réunir pour dégager ou élaborer une politique en matière de jeunesse, c'est eux qui vont l'élaborer, mais c'est vous que ça va euh, concerner. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire évoluer la mentalité des jeunes, qui pensent que la politique, tout à l'heure il a dit, un, que c'est pour les vieux, ou la politique, il y a trop de mensonges dedans ou de coups bas, je préfère me mettre à l'écart. Mais lorsque vous êtes commerçant, jeunes commerçants. La loi fiscale, elle est élaborée par les hommes politiques, n'est-ce pas Le code des investissements est élaboré par les, politiciens. Donc vous êtes obligés de subir dans votre chair les affres de lois qui sont élaborées en votre nom ou en votre direction. Donc je pense qu'il faut que les jeunes se convainquent d'une chose. La meilleure manière de changer les politiques pour faire plus de place à la jeunesse, c'est d'abord de participer à l'élaboration de ces politiques. Abdelaziz Wankoy, l'extrême jeunesse de la population nigérienne est-elle une source d'opportunité ou une source de préoccupation Merci mon cher ami Mokhtar, merci au grand frère Bana, et merci à M. Salon, merci également au studio Kalangou pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ce thème combien important qui est l'engagement politique des jeunes. Et vous savez, euh, en matière de bonne gouvernance, il y a deux approches. Il y a la bonne gouvernance économique et il y a la bonne gouvernance économique. Mais les gens oublient souvent l'essentiel même de la bonne gouvernance qui est l'approche politique. Alors, pour que les gens comprennent ce thème dans le cadre de la bonne gouvernance, il faut savoir que la bonne gouvernance exige une vision stratégique. La vision stratégique prévoit la planification, les orientations du pays et puis l'adéquation des dépenses publiques aux besoins des populations. Et pour, faire une planification, il faut des jeunes, il faut une jeunesse. Et cette jeunesse-là, du moment où elle constitue 65% de la population nigérienne, l'avenir de ce pays repose sur cette jeunesse-là. Et comme l'a dit euh, le grand frère Bana, tant que le jeune, M. Salah aussi l'a dit, tant que les jeunes ne s'engagent pas dans les débats politiques ou dans le combat politique, eh bien, les politiques économiques et politiques du pays seront réalisées sans eux. Et là où se, posera le problème, c'est que pour faire émerger un pays, il faut une force. Et la force là, cette force appartient à la jeunesse. Et la jeunesse ne peut contribuer au développement du pays qu'à travers un engagement politique. L'engagement politique est la définition de la jeunesse pour sa contribution au développement de notre pays. Pour revenir à votre question, la jeunesse aujourd'hui, elle est l'avenir de notre pays. Moi, je me mets toujours dans, dans un élan démocratique d'élection. Alors, lorsqu'il y a des élections et que les jeunes ne sont pas engagés, quand je parle d'engagement, je parle de participation pour des candidatures ou des postes de responsabilité. Je ne parle pas d'engagement à l'image de euh, taille électoral ou de meetings populaires pompés et autres. Je parle d'une jeunesse intellectuelle, je parle d'une jeunesse engagée qui saura, une fois au pouvoir, ce qu'elle fera de ce pays et surtout que les attentes des populations dans tous les États du monde, l'exemple de tous les jours, porte sur la jeunesse. Et ce que la jeunesse aujourd'hui, nigérienne doivent comprendre que le pouvoir, comme l'a dit M. Salon, n'est pas une gérontocratie à partir du XXIe siècle. Il faut que les jeunes puissent suivre cette formation politique-là dans les normes pour pouvoir accéder au poste de responsabilité. Parce que la fin de la bonne gouvernance, c'est quoi C'est le résultat. Tout ce que vous auriez fait en tant que jeune, tant qu'il n'y a pas un résultat à la fin de votre mandat, à la fin de votre euh, expérience de responsabilité, la bonne gouvernance suppose que vous n'avez rien fait, vous avez fait autre chose. Or, il est aujourd'hui euh, impératif que les jeunes sachent que sans leur engagement politique, je le répète très bien, une bonne gouvernance politique ne peut se réaliser au Niger. Parce que la bonne gouvernance économique que nous voyons, que les gens tout de suite, dès qu'on parle de bonne gouvernance et l'économie, voit voit découle de la bonne gouvernance politique, c'est-à-dire une planification des orientations du pays. Lorsque nous ratons déjà la vision de notre pays, lorsque nous ne savons pas déjà où nous allons partir avec notre pays, la bonne gouvernance économique ne sera autre chose qu'une gestion et non pas un exercice du pouvoir. Or, la gestion, pouvoir, c'est l'improvisionnalisation, c'est comme si nos, chefs d'État aujourd'hui font par inspiration. Or, pour qu'une bonne gouvernance économique puisse marcher, il faut une bonne planification. Et la, une planification ne peut être faite que par une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et une jeunesse qui a les objectifs de développement de notre pays. Abdelaziz Wankoi. en 2014, c'est un rappel, les parlementaires nigériens ont voté une loi qui octroie un quota aux femmes de 15% pour les postes électifs et 25% pour les postes nominatifs. Bana Ibrahim l'a rappelé tout de suite. Et ceci à la suite d'un combat rude. Aucun quota similaire n'est encore voté en faveur de ces jeunes. Comment expliquer ce état de fait Vous savez, je suis en partie d'accord avec euh, le grand frère Bana quand il parle de quotas pour les jeunes. Moi, pour moi, c'est une ségrégation positive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on dit non, on vous donne parce que vous êtes jeune et non pas parce que vous êtes compétent. Moi, je suis fruit d'un système purement anglophone où la notion d'une jeunesse à part et d'une euh, des, des aînés à part qu'on organise pour gérer le pouvoir. Non, le pouvoir se gère ensemble. chez vous quelles sont les difficultés auxquelles vos jeunes militants font face aujourd'hui euh, Je vais d'abord répondre un peu substantiellement à la dernière question que vous avez euh, posée à notre euh, ami et camarade Wankoy. En fait, la question du quota, là, c'est comme il l'a noté, au fait, c'est un quota de genre. Pour ce qui est des femmes, on ne parle pas des femmes seulement. C'est-à-dire, quelle que soit la structure, si elle doit être animée par un groupe, c'est que les 25% doivent être occupés si c'est les femmes qui ont la majorité, les 25% par les hommes, et si c'est les hommes, les 25% de l'un ou de l'autre sexe. Donc c'est un peu la question du sexe quoi, qui est posée. Maintenant, pour ce qui est de la jeunesse, c'est là je joins l'idée du grand frère. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes contre qu'on dise que c'est par cotation que nous allons être désignés. Parce que c'est de 18 à 35 ans. Ça veut dire que si vous êtes nommé à 34 ans, 9 mois, vous avez 35 ans, vous quittez le poste, même si vous valez pour quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Est-ce alors comme ça on peut diriger un pays Le pays, là, ça, on demande vraiment des, des temps d'action pour que vraiment on puisse voir l'impact. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va un peu. Un moment, chaque six mois, trois mois, il y a un remaniement du gouvernement, il y a quoi, il y a quoi. Moi, je me suis dit que tous les Nigériens seraient devenus des anciens ministres si le rythme était maintenu. Mais aujourd'hui, ça va, Dieu merci, c'est stable. Un an, deux ans. Parce que il y a des ministères, il faut le dire, hein. en une année, en tant que ministre, vous ne saurez jamais ce qui se passe dans votre propre département ministériel. À plus forte raison, développer les politiques publiques et les grandes décisions d'orientation pour agir dans le sens d'impacter. Et on vous change en six mois. En six mois, vous n'avez rien fait que prendre les premiers autres. Rien. Donc il n'y a pas de satisfaction ou bien d'appréciation. Revenons à, la, question. Les difficultés, les difficultés que, nous faisons face. face, il faudra se le dire. C'est partout la même chose. C'est la précipitation, et aussi le maintien des vieux. Si vous voulez, c'est la guerre de positionnement. Nous, nous sommes jeunes, nous voudrons faire nos preuves. Et ils sont là, ils ont dépassé un certain seuil d'âge. On voudrait qu'ils quittent, mais ils ne veulent pas quitter aussi. Quelque part, c'est la, c'est la guerre des intérêts et des positionnements. Donc ça, c'est une difficulté qui est courante. Et il faut le reconnaître. C'est ce que je parle d'expérience. C'est peut-être là où toutes nos formations ont failli. C'est la préparation, l'initiation là. Ça prend du temps. Et moi, je trouve que si vous avez un DG, pourquoi ne pas amener de la soixantaine, il faut amener un jeune de 32 ans, 31 ans, 28 ans, 25 ans, pourquoi pas, pour être son adjoint. Ou les directeurs centraux les chefs de division peuvent être des anciens, les directeurs centraux, il faut qu'on fasse ça aux jeunes pour préparer la relève. Parce qu'on nous dit souvent dans le discours, nous sommes l'avenir de demain, nous sommes là. Mais finalement, nous sommes l'avenir que dans la mobilisation pour certains. Nous sommes pour, euh, je ne sais pas, les injures sur les réseaux sociaux que nous proférons les uns des autres. Les invectives. Les invectives les uns des autres sur les réseaux sociaux et qui peuvent vraiment euh, Exposer une image hideuse de notre pays. Parce que c'est le fruit de notre enseignement que nous exposons sur les réseaux sociaux avec tout ce que ça comporte comme aspect négatif. Les difficultés, c'est parce que aussi on nous fait comprendre que non, nous devons défendre le parti. Nous devons défendre le parti, mais avec quel genre de jeunes aussi Il faudra se le dire. Parce que ce n'est pas tous les jeunes qui ont eu la chance d'être scolarisés. Et souvent, on fait le débat seulement pour les jeunes scolarisés. Les non scolarisés, on les oublie. Parce que là, depuis tout à l'heure, on discutait, mais c'est une réflexion pour les jeunes scolarisés quand on parle d'occupation de postes, des responsabilités, de savoir agir. Et nos frères et amis qui n'ont pas eu la chance d'avoir un grand niveau d'instruction ou qui n'ont même pas eu la chance d'être euh, inscrits à l'école. Salou Chebou, pour faire face à la problématique du chômage et la précarité de la jeunesse, l'une des promesses phares du président de la République Issoufou Mahamadou serait de recruter 50 000 emplois par an, huit années après. Où en sommes-nous avec cette promesse électorale du président <laughs> euh, Ça, euh, moi, je crois que ça dépend tout simplement de la bonne appréciation de tout un chacun d'entre nous. Je serai même pas militant du il faut reconnaître que même si le chiffre qui a été clamé dans le discours n'a pas été atteint, on essaye d'aller dans le sens de recruter autant que se faire. Parce que personnellement, de mes promotionnels de la fac, je sais que c'est avec qui je me suis inscrit. Un grand nombre aujourd'hui ont pu admettre à des différents concours qui ont été faits. Et il y a bien des camarades avec que nous avons retrouvés qui sont de la génération 2002-2003 ou quoi, aujourd'hui qui sont dans la fonction publique. Le recrutement est une réalité. Peut-être le 50 000 chiffres, le 50 000, peut-être on ne l'atteint pas, peut-être que oui aussi. Mais sinon, quand on parle d'emploi. Peut-être qu'on l'a aussi dépassé. Euh, oui, on le dépasse aussi. Parce que les 50 000, peut-être voilà là où aussi la communication de notre pays est défectueuse. C'est qu'on a dit seulement 50 000 emplois. Emploi temporaire, emploi permanent, tout ça là. Emploi supplémentaire. Il y a des trucs qu'il faut reconnaître. Les agents manœuvrent les quoi C'est des agents temporaires, hein. ceux qui font le placement des pavés, les travaux manuels et autres. Mais tout ça, là, c'est des employés. Mais on n'a pas clarifié pour dire que c'est de l'emploi permanent qu'on a donné, temporaire qu'on a donné, ou je ne sais pas, ponctuelle. Et ça, là, nous, nous ne pouvons pas vous dire exactement, moi personnellement, je ne saurais dire exactement que le chiffre 50 000 est atteint. Mais je sais que si c'est l'emploi permanent, c'est-à-dire la fonction publique, et aussi les investisseurs privés qui viennent pour donner des contrats de CDI et autres, je sais qu'il serait très difficile que nous atteignions 50. Mais si toutefois, si toutefois, je dis, c'est tous les genres de travaux qui sont euh, régis par... Euh, des différents, c'est-à-dire contrats, on peut dépasser à certains égards. Bana Ibrahim, comment assurer la relève Vous savez, tout dépend de la formation et de l'éducation. Si on veut développer un pays, il faut agir sur le levier non seulement de l'éducation, mais également de la formation professionnelle. Au Niger, on a tendance à oublier, tout à l'heure on parle de, recrutement de, de, 50 000 emplois par an. C'est une promesse, je pense, électoraliste, mais c'est pas ça qui fait le développement. On ne développe pas un pays parce qu'on a recruté autant d'agents à la fonction publique. On se retrouve par contre à créer une masse salariale qui va créer un déséquilibre dans la gestion des finances publiques. Comme l'a dit euh, mon, jeune frère et Salah qui est ici présent, un jeune qui n'est pas outillé, que ce soit un outil euh, de forme, c'est-à-dire une éducation formelle, informelle, professionnelle, manuelle ou pas, il ne sert à rien dans la vie publique. Il ne sert à rien. Lorsque vous n'êtes ni éduqué, ni formé à faire un travail. Même si on vous donne un travail, vous ne pouvez pas le faire. Donc je pense que là où nous devons mettre l'accent, à la fois dans nos partis politiques, et moi par exemple, je suis aujourd'hui en train de prétendre à un poste de président de l'Ouest, je me ferai, moi, l'un des axes que je vais le plus mettre, c'est la formation de nos militants, non seulement en matière idéologique, mais aussi en une formation professionnelle. Moi, mon vœu, c'est aujourd'hui de faire en sorte que dans nos partis politiques, qu'il y ait des universités rattachées aux organisations des jeunes où on peut faire venir des jeunes euh, des huit régions du pays pendant les vacances ou à l'occasion des congés et qu'on leur donne à travers des experts qui ne sont pas forcément des militants de notre parti, qu'on leur donne une formation sur comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise, comment développer une entreprise qui existe déjà, comment utiliser les nouvelles technologies de l'information pour que ça rapporte quelque chose à la société et à l'individu lui-même. Je pense que c'est à travers ce choix qu'on peut demain faire des jeunes d'aujourd'hui des jeunes capables d'assumer des responsabilités. Tout à l'heure, je disais que quand je parlais de quotas discriminatoires, moi, je ne parlais pas de dire que non, non, il faut donner 10% aux jeunes, non. C'est-à-dire, il faut, dans les systèmes, par exemple, de recrutement, supprimer cette histoire d'avoir 10 ans d'expérience ça c'est une discrimination qui va favoriser le recrutement des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez de l'université, vous avez n'importe quelle offre d'emploi, on vous dit 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, ça veut dire que vous êtes en marge du système de recrutement. Le seul recrutement où vous allez, on va vous prendre, c'est le recrutement à la fonction publique. C'est tout. Or, pour qu'un pays se développe, il faut que le secteur privé soit accessible aux, aux jeunes qui viennent de finir leur formation. Et ça, il faut par exemple supprimer dans toutes les annonces cette histoire de dire 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Celui qui a 10 ans d'expérience n'a pas besoin d'ailleurs de travail. Il peut lui-même créer, il est en principe un pourvoyeur d'emploi. Donc ça, c'est un système qui permettra d'ouvrir le monde du travail aux jeunes. Et ça, c'est une discrimination positive à l'égard de la jeunesse. Voilà pour moi la clé du rôle de la jeunesse. Formation, éducation. Abdelaziz Onkoy, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure représentativité et une meilleure prise en compte des préoccupations de la jeunesse nigérienne Si j'ai un conseil, c'est plutôt un appel que je lance à la jeunesse responsable. Parce que la bonne gouvernance exige une efficience et une efficacité des dépenses publiques. Qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le profil et l'emploi. D'où la nécessité que chaque jeune compétent puisse s'engager politiquement pour qu'il puisse représenter valablement cette jeunesse et apporter sa contribution au processus de développement. Je vais revenir un peu sur euh, l'inquiétude de M. Salau sur les jeunes ruraux ou bien les jeunes qui ne sont pas les jeunes déscolarisés. Vous savez, il n'y a qu'un jeune aujourd'hui qui est à mesure de faire un projet, de monter un projet ou d'interpeller le gouvernement sur la question de la jeunesse déscolarisée, sur la formation professionnelle dont parlait le grand frère Bana. D'où, si cette jeunesse-là ne laisse pas entendre sa voix, sa réflexion, sa contribution en toute responsabilité et en, toute euh, honnêteté intellectuelle dans les questions d'orientation de notre pays, nous allons rester en stagflation, c'est-à-dire en période stationnaire où notre pays n'avancera jamais. Cette jeunesse doit surtout comprendre qu'un engagement politique ne, ne, veut pas dire fortement prendre euh, la carte d'un parti politique. Vous savez, l'engagement politique peut se faire sur plusieurs aspects, excusez-moi. Or, au Niger, on pense que quand on parle d'engagement politique, on parle de conquête du pouvoir. Or non, la conquête du pouvoir est un aspect politique de la bonne gouvernance. Or, l'orientation économique exige tout jeune à y apporter sa contribution, sa réflexion. Tant que vous n'apportez pas votre intelligence dans les débats les questions de réflexion de votre pays, vous allez toujours rester à l'écart, à l'ombre, en train de crier, comme l'a dit Salon, en train de, dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Or, vous pouvez participer pays en toute honnêteté intellectuelle avec votre expérience pour que les décideurs puissent prendre en compte vos réflexions. Moi, je suis d'une structure purement politique qui consiste à moraliser la vie publique, qui consiste à faire une sensibilisation citoyenne. Cela ne m'empêche pas de donner mon point de vue, ma réflexion ou mes choix vis à -vis de la nation ou des orientations du pays ou de mes interpellations par rapport aux questions qui nécessitent la réflexion de la jeunesse ou des intellectuels. Donc c'est un appel, donner un conseil revient à dire beaucoup de choses, mais l'appel que je lance à la jeunesse, c'est de s'engager politiquement, quelles que soient les manières pour que nous puissions donner notre réflexion. Pour la petite histoire, vous savez, avant la conférence nationale, les structures de la société civile étaient engagées aux côtés des partis politiques. N'empêche, de réfléchissaient. Et pour un passé récent, quand il était question de combattre un régime anticonstitutionnel, les jeunes se sont réunis, chacun a donné sa réflexion, son idée, tout en restant dans son cadre d'exercice. C'est pourquoi j'appelle cette jeunesse nigérienne à prendre conscience que seul un engagement politique peut les aider à réorienter ce pays peut les aider à faire entendre leur voix, peut les aider à prendre en considération les autres jeunes déscolarisés par des projets concrets de réflexion et d'orientation, surtout d'amélioration des conditions de vie des populations. Une politique qui ne tient pas compte des conditions de vie des populations, du changement du train de vie des populations, cette politique-là sera vaine. Et pourquoi sera revient Parce que tant qu'il n'y a pas, le, comme on dit, du sang nouveau, des nouveaux acteurs qui vont apporter une autre manière de faire les choses, je pense que nous allons toujours rester dans le même status quo. Aujourd'hui, les jeunes doivent vraiment prendre conscience que l'engagement politique est la seule manière de réorienter, de faire progresser le pays et de faire une autre manière de la politique en consolidant la paix sociale, l'unité nationale et surtout l'économie qui doit être le garant de la stabilité politique d'un pays. Vous l'avez tous rappelé, il ne saurait y avoir une véritable démocratie sans une pleine implication de la jeunesse, sans participation du citoyen à la vie politique. C'est pourquoi l'engagement des jeunes Nigériens dans la politique n'est plus qu'une nécessité aujourd'hui. Et nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Salaw Shebu, membre de l'organisation de la jeunesse PNDS Tareya OJT, le principal parti de la mouvance présidentielle au Niger. Ibrahim Bana, membre de l'organisation de la jeunesse moderne Lumana OJL, le principal parti de la coalition de l'opposition politique nigérienne, et Abdelaziz Ouankoui, coordonnateur de la cellule de moralisation de la vie politique ONG Labizé, une structure qui œuvre pour la bonne gouvernance et la citoyenneté. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme de studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.